dégagement de l'équipe des élèves devant. Attention, ça joue, attention, les élèves récupérés par l'équipe des professeurs qui, sont bien dans le parc. Le numéro 3, il est passé. Attention, quelle personne du numéro 3 des professeurs le de l'autre côté qui va de les pour son partenaire. Récupérés euh, récupéré pour l'équipe des professeurs. Attention, Euh, deux accélération pressé de woon rek ñu nekk fi nga xamante ne mooy incha allah usul seen final yi mu ngi ko euh, moo jeex ki nga xamante ne mooy quatrième ak troisième ñoo gagné Zogon ñu ak capitaine Zogon soxna si maa lay nuyu ak tur bi nga présenté wu. Euh, Anne-Marie laa tudd Zogon laay def en fait maa nekkoon capitaine waa classe seconde première ak terminale. match la demee noonu ba ngeen ñàkk ko nu lu xew. en

nan nga gisee ambiance bi ak fête bi ni mu mel. Euh, man moo gisoon c'était super bu bokk c'était amusant si waaw ñëpp kontaan nañ joué nañ ci fair play sans autant que ñu xeex suñu biir ce genre de truc. waaw ba tey ñoom ñoo gagné waa seconde deux buts à un capitaine ñu ngi leen nuyu ak tur bi nga présenté. waaw ñu ngi lay fay maa ngi tudd Jama di jàngee classe quatrième. yow yaa nekkoon capitaine équipe bu troisième quatrième ak troisième match bi lan ngeen ko joué ba gagné ko. waaw match bi dañ leen gën a nekk ay xale rek jàpp leen waaw def leen waxoon nañ leen ko de début ba ne woon nañ leen dañ leen a gañe ñu ñëw waaw dugal deux bii rek ñu gañe leen mu jeex waaw loolu la woon rek. ngeen leen dàq football daal. waaw ah, ñoo leen dàq football ñu leen gën a nekk ay xale condition moom dañ kaa am ba mu doy. bu loolu weesoo nan nga gisee fête bi ak bi ni mu mel nii. ah neex na ndax école yëpp dañuy def fête lii dafa rafet ñun ñëpp ñu ànd doon benn moo tax fête bi neex na kay. léegi ñu nekk à la mi-temps ñu entre quatrième ak équipe bu seconde équipe quatrième zéro bi partout ñu nekk ak capitaine bu équipe bu seconde cap ñu ngi leen nuyu tur la. waaw ñu leen fay Abdou Aziz Bada la tur bi. tur fi mu toll nii zéro bi partout match ni mu demee lan nga waral ni moo waral moo tax bii amagul. waaw lu waral bi amagul esprit groupe bi dafa des lu bëri quoi dans l' ensemble esprit groupe bi dafa des te tamit boo xoolee su numéro sunu attaquant sunu numéro 9 Fiskoul Fiskoul. waaw fistule te tamit occasion yi am nii booyee man j'en suis sûr et certain que ne buñ ko amee lu si ëpp rek dinañ ko réaliser quoi booy xam nga booy football foog nga am esprit de groupe te esprit de groupe bu desee rek pour nga dugal day day doon problème quoi moo tax nag loolu moo des mais waxtaan nañ te xam naa ne dinañ jëm a dugal deuxième mi bi. alors léegi nan ngeen organiser woo lan ngeen waxtaan au vestiaire pour gën a mën a entamer deuxième mi bi. waaw boo xoolee bi am na xam ne moom excentré euh, la quoi mais milieu de tey la joué il n'est pas doué sur sur défensivement quoi sur le plan défensif léegi moom offensivement la gën a pare quoi boo xoolee suñu suñu bal yu bëri bu ñuy am ay but moom moo koy réaliser moom mooy indi bal de but quoi léegi moom à ce moment milieu terrain la doon mais jéem dinañ jéem waxtaan ba mu joué excentré. Euh, capitaine équipe bu quatrième toll nii premier final bi la ñaari équipe yi seconde ak quatrième zéro bi partout kenn la. Euh, match bi moom ah mooy loolu dañ ko war a gagné quoi waaw ah, xam nga attaquant yi mooy ñoo zéewul quoi mais après deuxième mi-temps bi nañ jéem a système pour mais pour dugal ay but ndax booy moom seen défense mooy loolu noonu. Ah, ñu gis aussi seen gardien am ay fautes yu bëri yu muy def lool lool moo ko waral moom nii lay góoloo wala dafa am pression ci match bi. non xam naa pression bu amoon te ak bal bi tam bal bi baaxul de boo ko dóor day dellu waaw pression bi. tam si la bokk tamit. nan ngeen waajalee deuxième mi-temps pour gën ko aborder avec la manière. waaw deuxième mi-temps moom dañ koy indi pressing ko ak ak ak rythme bi. waaw mën a mën a dugal ay. waaw tur bi. non Daouda Dieng la. Daouda Dieng waaw. ñu ngi ci match boobu dañoo jaaxal dañu bëri professeur yi dal seen kaw commencé leen sama booy ñoo nelaw ko waaw moo tax mais xam naa bu ñu demee ba si biir dinañ yeewu nekkaat si match ñu jëm égaliser waaw 2-0 moom méttiwul waaw. waaw après dinañ def le tour deuxième mi-temps pour égaliser. waaw mais bu ñu xoolee procédure bi ñuy gérer ñoom ñu leen gën a dynamique gën leen maîtriser match bi est que dina yomb ngeen dugal sax yéen benn bi. non non am nañ gëm-gëm ne nañ égaliser waaw incha allah nan ngeen waxtaanee biir vestiaire pour mun gën a mën a entamer deuxième période bi. waxtaan nañ bi defaraat nañ jeu bi xool nu ñuy géewaatee pour bu ñu ñëwaatee mën a def dara Pour le moment, nous en sommes à la pause entre le match de gala qui, qui, oppose l'équipe des professeurs et l'équipe des élèves. Et l'équipe de professeurs qui mène par 2 à zéro, toujours dans le cadre des interclasses euh, des cours privés Inch'Allah School. Nous sommes avec le capitaine de l'équipe de professeurs. Nous avons vu des professeurs très dynamiques, très, très, très tenaces, très énergiques, mais aussi qui jouent très, très bien au ballon. C'est M. Koundoul, le capitaine. Monsieur, bonjour. Bonjour, ça va soit bien en hein, Je suis que pour vous rappeler que cette initiative, c'est pour seulement dans le but de faire play entre élèves et professeurs. pour au moins il y ait une coopération entre eux. Nous sommes une famille. Même pendant seulement, même avant la classe aussi, entre, on se considère comme une famille. C'est seulement le but. Pour au moins à l'avenir, eux, ils ils pourront aussi aider nos jeunes aussi ça sera tout. Oui, oui. mais au-delà de ça, on a vu une équipe de professeurs très dynamique, très joueuse. Qu'est-ce qui explique cela ah, Juste que c'est l'effort physique. Ils pensent qu'ils sont meilleurs par rapport à nous. Mais <laughs> on leur laisse passer cette chance aussi. Ah, parce que d'habitude, on avait tendance à voir des élèves malmener le professeur, mais pour le moment, vous êtes en train de déroser à la règle. Nous, nous sommes des jeunes par rapport à eux. Ils pensent que nous, on est vieux alors qu'on on, on, jouait aussi au, au C'est ça. on a fait le cadet, le seigneur aussi. Si je ne me trompe pas, à travers les deux buts que vous avez marqués, vous êtes à l'œuvre dans, dans, dans, dans, les deux actions. Est-ce que vous pouvez revenir sur les deux buts que vous avez marqués ah, Nous, on a tendance à jouer ensemble, surtout. Même après les cours de presse. après on forme une équipe, on va quelques terrains pour faire des séances d'entraînement. C'est ça qui nous motive aussi. Alors, comment vous comptez aborder la deuxième période Vous menez au score 2 par 2 à 0. Vous allez venir pour conserver le score ou bien vous voulez marquer encore mettre d'autres buts Nous allons continuer à marquer. Je, vous, l'avais dit. Aujourd'hui, nous en sommes donc à la fin de, cette manifestation. C'était donc les interclasses des cours privés Inshallah School qui devait se tenir. Il y avait une finale qui s'est jouée entre la seconde et la quatrième qui a vu donc la seconde prendre le, le, le dessus donc sur la quatrième. Et au-delà de ça, il y avait le masque de glace entre élèves et professeurs et qui a vu aussi les élèves laminés voire crucifiés donc qui a vu les élèves se faire laminer voire crucifiés par leur professeur sur la marque de 3 à 0. Nous sommes avec le directeur, celui que j'ai l'habitude de surnommer l'éminent homme de lettres, M. Ndiaye. C'est lui qui m'a formé et forgé l'éminent homme de lettres, l'aristocrate de Inshallah School. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour, M. Sen. Comment vous allez Ça va bien Donc, euh, tout d'abord, moi, ce que j'aimerais, c'est vous remercier d'abord par rapport au, déplacement. Donc, euh, par rapport aussi à vos paroles, qui sont à la fois très sensibles et, surtout maintenant des paroles qui sont, qui sont absolument vibrantes. Donc euh, là-dessus, c'est surtout une mini-manifestation, comme je l'ai dit maintenant aux élèves. L'objectif principal, ce n'est pas de jouer, mais il faut soit apprendre autant qu'on joue, soit apprendre plus qu'on joue. Donc je pense que réellement, l'objectif principal qu'on s'est fixé, c'est... Nous sommes, vous, vous aimez beaucoup les métaphores. Qu'est-ce que ça dit Apprendre autant qu'on joue, comment vous l'avez dit Monsieur <laughs> Sen, bon, on, se connaît déjà. Hein. Je pense que réellement, par rapport au début de votre discours, vous avez certainement éclairé ma position de professeur de lettres mais cela dit aussi, je pense que réellement, si jamais nous, sommes tout le temps dans les salles de classe, on ne reste pas au niveau du directorat, on est tout le temps dans les salles avec les élèves. Mais quand même, je pense que les élèves, le corps euh, professoral, je pense bien, tout le monde est conscient du fait que l'objectif qu'on s'est fixé depuis le début, c'est surtout de faire le maximum d'admis aux différents examens. Et je pense que réellement, c'est ce qui témoigne même d'une certaine rigueur observée au niveau de l'établissement. Mais par la même occasion, nous pensons aussi que la rigueur, bon, elle est indispensable, mais il n'y a pas seulement que les études. Donc il faut par la même occasion accompagner les élèves, les pousser à se défouler, à se libérer un peu, c'est ce qui est absolument, euh, je dirais bien, l'une des préoccupations majeures que nous sommes fixés aujourd'hui. Bon, animer un peu, Laissez laisser les élèves s'exprimer sur le terrain et essayer au moins de vivre une certaine cordialité avec euh, maintenant l'ensemble des élèves, quel que soit le cycle, quel que soit le niveau. Je pense que depuis le CI jusqu'à la terminale, tout le monde a participé à la fête. Et je pense que réellement, c'est surtout maintenant l'objectif qui a été visé par rapport à, la manifestation d'aujourd'hui. Oui, c'est l'objectif visé, mais nous avons, nous avons vu une certaine effervescence, c'est-à-dire les élèves ont répondu présent. Et ce n'était pas évident. Comment vous avez fait à travers votre communication attirer l'attention des élèves pour qu'ils puissent répondre présent <laughs> Oui, bon, je pense qu'eux, ils sont là. Hein. Hein? Voilà, bon, je pense que entre nous, eux, ils le savent. Hein. Entre nous, c'est la guerre au quotidien. Ils sont même entrés d'en rire parce que quelque part même. Ils savent que moi, euh, ce que je mets au devant de toutes choses ce sont les études. Et je pense que même s'il y a des, des, fois, il y a des embrouilles, parce qu'il y a des excuses que je n'accepte pas, il y a des absences que je ne tolère pas, hein, il y a des... Voilà, hein, je pense que... Mais je dis tout le temps que eux, ils savent exactement pourquoi je suis comme ça. Hein. Ce n'est pas le sourire qui me manque, ce n'est pas le sourire qui nous manque à l'établissement. On s'y roule tout le temps, mais par la même occasion, on sait exactement prêter attention à, surtout maintenant, l'essentiel. Et je pense que l'essentiel, c'est cela. Eux, ils comprennent. Ils comprennent que malgré la rigueur observée, il y a au moins une certaine familiarité entre nous. Hein? Malgré la rigueur, il y a, on s'amuse tout le temps. Hein? Malgré la rigueur, on discute tout le temps. Hein? Bon, mais quand même, je pense que s'il y a surtout maintenant cette, euh, cette réponse de la part des élèves qui ont répondu présent, c'est parce que peut-être euh, ils ont en face d'eux un miroir. Bon, je peux l'interpréter comme ça. Hein. Ils savent exactement aussi que peut-être à travers toute l'administration, à travers euh, la réaction de, surtout maintenant des enseignants, à travers aussi les conseils et tout, ils comprennent exactement que, bon, il n'y a que la familiarité qui est, qui est importante. Au-delà de ça, vous savez que nous nous acheminons vers le mois béni de Ramadan. Comment vous comptez-vous réaménager l'emploi du temps Parce que souvent les élèves se plaignent durant ce mois par rapport aux heures de cours. Effectivement. Bon, là, comme d'habitude, les élèves qui se plaignent, ce sont, pour la plupart, sont les Diobènes. Hein. Voilà, hein, <laughs> voilà, Les quand, <laughs> hein, tout le temps, ils se plaignent. Mais je pense que réellement, bon, pour chaque année, il y a d'ores et déjà, il y a un emploi de temps qui doit, doit sortir à partir du, du lundi. Hein, parce que c'est pas c'est pas évident. C'est pour cela même que eux peut-être ils n'avaient pas compris pourquoi on a un peu anticipé la semaine des devoirs et l'anticipé de philo, parce qu'avec le Ramadan ce n'est pas ce n'est pas facile. Donc les cours maintenant on les observe surtout maintenant à partir de du moins euh, jusqu'à jusqu'à 16 heures. Hein, hormis les cours de renforcement peut-être. Et là aussi, il y a, y a, moins de rigueur par rapport à cela parce que je pense que chaque élève euh, va y aller avec son propre rythme. Mais quand même, je pense que réellement, le plus important, c'est que euh, l'ensemble des élèves puissent comprendre exactement que, bon, les examens sont, sont, sont, sont surtout maintenant très proches. il faut au moins par rapport à, cela que chaque élève puisse euh, euh, je dirais bien, se concentrer davantage, hein, surtout. je ne vais pas terminer sans vous chambrer un peu. Vous avez l'habitude de dire dans la langue de Coach Barma que comme Ken Dugoweri, Kouroweri M4, Courrier Mofogle 4. Est-ce que vous le dites toujours à vos élèves ou bien Demandez-le. <laughs> ils, savent, ils savent pertinemment quelle est, quelle est, quelle est surtout maintenant mon attitude par rapport à cela. Mais, mais comme je l'ai dit le plus souvent, euh, je pense que réellement, à mi-parcours, euh, je peux éprouver une certaine satisfaction. Je dis tout le temps que je fais partie des, rares directeurs qui anticipent sur les examens. Surtout par rapport au, pourcentage de réussite. Moi, n'ai pas peur d'avancer un pourcentage de réussite. Sachant réellement ce qui se passe dans les salles de classe. L'année dernière, j'avais avancé le pourcentage de 70%. On s'est retrouvé avec 76% au bac. Peut-être que les résultats du BFM ont été moindres avec 54%, mais je pense que c'était équilibré. Bon, pour cette année aussi, j'ose aujourd'hui avancer. Un léger mieux. Un léger mieux, ça veut dire qu'on espère plus de 76%. Mais quand j'avance ce chiffre, c'est parce que tout justement, je sais pertinemment, euh, surtout par expérience, je dis bien, je sais par la même occasion la qualité de l'enseignement qui est donné au niveau de l'établissement. Hein, j'ai dit tantôt que je ne laisse pas les salles de classe aux professeurs, je ne reste pas cloîtré dans, au niveau de la direction, je suis dans les salles de classe, je me suis retrouvé avec près de 7 classes. Donc, cela témoigne encore une fois de l'engouement que j'accorde absolument aux études. Et aussi, je ne vais pas terminer sans pour autant remercier, je dirais bien, l'ensemble du corps professoral. Parce qu'entre nous, ce n'est pas facile de gérer une école privée. Par rapport surtout surtout la nôtre, notre école à nous, est très compliquée. Voilà. Bon, ce qui fait cette spécificité, c'est parce que tout justement, euh, il y a une, exigence fondamentale de résultats ici. Hein? Bon, je ne sais pas si ça fait fuir des collègues. Et pourtant, elle ne date pas de longtemps. Bon, elle ne date pas de longtemps, mais ce qui fait la survie d'un établissement, ce sont les résultats. Je l'ai dit tantôt. Nous en sommes à la troisième année, 2017, 2018, 2019, c'est la troisième année. L'école est encore jeune, évidemment. Elle est encore précoce. Mais je pense que réellement, elle est en train de faire ce que nous nous sommes fixés, malgré maintenant tous les aléas. C'est au moins d'espérer avoir un jour, je dis bien, pas aujourd'hui, parce que bon, eux, ils le savent très bien, mais c'est surtout maintenant d'accéder de, à la barre des 100%. Hein, donc euh, peut-être réellement, Inch'Allah, ça se fera le temps que les élèves que l'école a, a pu d'une certaine façon former, hein, le temps que les élèves, euh, surtout maintenant, grandissent et autant de choses, je pense que réellement dans ce contexte-là, on pourra surtout maintenant euh, parvenir absolument à ce stade-là de 100%. Mais je pense que réellement, vu la qualité de ce qui est donné à ce niveau-là, j'espère fondamentalement qu'on se retrouvera avec plus de 65% pour le Baki, Inch'Allah. Bon, comme je l'ai dit tantôt, bon, ce que je remercie principalement, parce qu'il y a, y a des collègues euh, avec qui j'ai cheminé pendant que c'était extrêmement compliqué et difficile. Il y a des, temps qui étaient parsemés de désespoir, de désillusion. Mais je pense que réellement, je ne peux pas terminer sans pour autant citer des noms de ceux qui nous accompagnent dans ce travail qui n'est pas trop facile, euh, je veux nommer en, premier Michel Diallo, qui est là, l'attaquant dont vous parliez tantôt. Quand même, je pense que depuis la traversée du désert, il est là. Et depuis là, il s'accroche. Je pense que réellement, on partage. On a tout partagé. On a d'abord partagé l'amertume de l'ouverture de l'école, mais aussi on est en train de partager le miel, c'est-à-dire le fruit de tous les efforts que nous avons, nous avons euh, faits. Hein. Il y a aussi mon ami, mon frère Michel Fall, quand même, le compagnonnage avec Michel Fall date depuis, je pense bien, 80, 98. Hein. Je pense que vraiment, ce n'est pas hier. Dans tout établissement où je me rends, je pense vraiment, il me suit. Hein. Donc là aussi, je pense que ce que l'on appelle les dinosaures, il fait partie des, dinosaures de l'établissement, ainsi que mon collègue, mon ami, M. Sarr, le prof de PS, n'est-ce pas Donc euh, lui aussi, euh, qui, s'accroche tout le temps, l'ami des élèves aussi, hein, dévoué dans son travail. Donc je pense que réellement, on a un beau monde ici, c'est une famille. Et la famille s'élargit dès l'instant que les élèves prennent part et respectent davantage surtout ce que nous apprécions au niveau de l'établissement, c'est le respect que les élèves vouent aux professeurs et à l'administration. Il est très rare, hein, je le dis, j'ose le dire. Hein. quand vous venez au niveau de l'école, c'est comme il n'y a pas de directeur. Je pense que réellement, c'est la relation frère-sœur, la relation entre l'oncle, la, nièce, l'oncle, le neveu qui prévaut ici. je pense que réellement, malgré cela, cela n'enlève en rien la rigueur qui s'exerce en eux qui sont obligés de respecter, de se soumettre pour, pour, pour réussir. Ah. Merci beaucoup aussi. Je vous remercie, hein, vous tous. Maintenant, il y a une autre cérémonie à l'horizon. Cette fois-ci, il faut venir couvrir toute la cérémonie.